Des images choquantes d'un corps découpé, des enfants blessés et d'une dame arrêtée couchée en meuble sol à l'arrière d'un pick-up circulent depuis quelques mois sur les réseaux sociaux WhatsApp principalement. Ces images sont aussi accompagnées d'un audio enregistré à langue avec la voix d'un homme. Eh, bah, Celui-ci stupule avec beaucoup d'assurance qu'il s'agit d'une restauratrice béninoise qui cuisine des plats à base de chair d'enfant depuis plus de 15 ans. Toujours selon cette voix, cette dame serait en étroite collaboration avec des braqueurs à moto qui lui livrent des enfants de 8 à 9 ans qu'elle stockait dans une voiture et la chair de ses enfants serait destinée à des clients particuliers qui venaient se restaurer auprès d'elle. Et ce restaurant, selon toujours cette voie, se trouverait quelque part au quartier Koubia à la périphérie de Niamey. Quoi qu'il en soit, le chef de ces quartiers dit n'avoir jamais entendu parler de cette histoire. Cette histoire, nous, on n'en a jamais entendu parler. Si cette histoire s'était vraiment passée, est-ce que vous pensez que nous allons rester comme ça les bras croisés Et vous-même, vous ne serez pas venu vérifier l'information. Tuer un être humain jusqu'à servir sa chair, c'est impossible. Ce sont juste des rabots. Un tour sur la toile et ces mêmes images apparaissent avec des textes qui les localisent tantôt au Nigeria, tantôt au Burkina Faso ou encore au Cameroun. Mais où ont-elles été réellement prises Selon l'AFP Factuel, le site de fact-checking de l'agence France Presse, il s'agirait en réalité de l'arrestation d'une dame accusée d'avoir tué et découpé sa mère dans le sud du Nigeria. En effet, sur la page Facebook de la BBC, on peut lire dans un post publié le 27 novembre 2020, avec les mêmes images à l'appui, une femme a tué et découpé sa maman à Ikot Ekpen dans l'état d'Akwa Ibom. En citant la police locale, ce post affirme que la dame en question serait atteinte de troubles mentaux. La quatrième photo qui montre deux enfants blessés à l'arrière d'une voiture a elle aussi été prise au Nigeria, mais dans l'état d'Anambra cette fois-ci. Et c'était en février 2021, lors de l'arrestation d'une autre dame qui utilise des enfants dans ses rituels. Cette information, plusieurs autres photos et vidéos à l'appui, a été relayée par de nombreux sites d'information tels que le Vanguard, le Daily Post Nigeria ou encore le Gossip, mais aussi par plusieurs blogueurs et internautes nigériens en février 2021. En conclusion, aucune de ces images n'a été prise au Niger, encore moins à Niamey, dans le quartier Koubia. Toutes proviennent du Nigeria, de l'état d'Akwa Ibom et 259 km plus loin de l'état d'Anambra.